L'actualité mémorable de la semaine, c'est d'abord l'accueil triomphal du héros national Abourazak Issouf Alfaga, le nouveau champion du monde de taekwondo dans la catégorie de plus de 87 kilos. Au premier plan, le premier ministre Brigitte Raffini, entouré de plusieurs officiels et une population venue nombreuse, souhaiter la bienvenue au fils du terroir et lui dire merci pour avoir hissé haut l'étendard du Niger. Le champion du monde 2007, Alfaga, a dédié sa médaille d'or à la jeunesse africaine. Aujourd'hui, euh, cette médaille appartient à toute euh, l'Afrique. C'est une médaille mondiale, c'est pas la magie, c'est le travail et il faut te mettre au travail pour pour euh, défendre. Juste croire en toi et puis euh, Dieu fera le reste. Mon objectif, c'est d'être le numéro un mondial jusqu'à Tokyo 2020. L'UNICEF vient d'ailleurs de choisir Issouf Alfaga comme son ambassadeur de bonne volonté pour les enfants au Niger. L'actualité, c'est aussi malheureusement la reprise des attaques à main armée sur certains axes routiers de la région d'Agadez. Après l'attaque le mois dernier d'un bus de voyageurs sur l'axe Agadez-Arlit, le dimanche 2 juillet passé, les bandits ont de nouveau frappé, cette fois sur l'axe Tawa-Agadez. Ce sont les passagers de trois bus de transport de voyageurs et plusieurs minibus de marque Toyota IS qui ont été dépouillés de leurs biens et un chauffeur blessé. C'était à l'entrée de Agabar Gabar, situé à 180 km d'Agadez. La même nuit à Difa, des éléments de Boko Haram ont attaqué le village de Ngalawa à 7 km au nord-est de la commune de Kabalewa faisant 9 morts et une quarantaine de femmes et enfants enlevés. Par ailleurs, les 16 515 réfugiés du camp de Kabelewa ont déserté le camp après les attaques kamikazes de la semaine passée. Adam El Ali, président de l'association des réfugiés de Difa. Ils n'ont pas quitté pour un autre camp c'est seulement, ils ont quitté pour la terre, pour un peu rester à la brousse, puisque eux, les Boko Haram, ils ont informé qu'ils viendraient pour prendre leurs cadavres. Sur le front social, l'actualité a été marquée par le rejet de la demande de liberté provisoire pour Baba Alpha et l'incarcération du promoteur du journal Le Courrier Ali Soumana pour complicité de soustraction des pièces de procédure et violation du secret d'instruction. Les Reporters sans frontières et les organisations socio-professionnelles des médias du Niger ont tous dénoncé, je cite, les violations des textes régissant le régime de la liberté de presse et le harcèlement des journalistes. L'actualité, c'est enfin l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a relevé la non-conformité avec la constitution de plusieurs articles du nouveau code électoral adopté par le Parlement. Et le Conseil des ministres du 30 juin qui a révoqué cinq maires par décret et la dissolution du Conseil municipal de Bilma.